man Mamadou Diop man ma représenté association nourriture Téwouté Sénégal association nourriture Téwouté association bu nek Paris la soriwul Paris loolu la bëgg wax ci banlieue parisienne la bokk association bi amna na léegi ñaar fukkat mais ci biir e anniversaire dafa organiser concours de peinture de dessin et un concours de poésie rédaction de poésie defoon nañ ko Sénégal ñu jël œuvre yi ko en France léegi nag xale yi France bi ñu gisee loolu ñu ne ñoom aussi day def li nga xam ne lii la seen morom sénégalais yi def loolu tax aussi à partir de trois thèmes qu'on avait choisi thèmes yi nga xam choisir nañ à savoir la paix l'amitié et la coopération ñoom aussi defoon nañu ay dessins defoon nañu ay poèmes loolu laay wër di woné ci école yi nga xamné ñun ñi ngi liggéey ak ñom mais nonu ci wuté ñamul ci lolu rek dama ñi ko xam ñep xamné ne

mangi delu mais bi may dellu aussi sama xol dalna sama xel dalna parce que xalé yi foog na né message bi jàll wax nañ ko ñom gëm nañ ko foog na né bu fekkee né tënku nañu ci jàmm ci coopération ci amitié àdduna bi day continuer di dox di gëna dox ni mu gëna yombé alors ce matin je suis venu visiter les enfants de Amadou Maktar Cham pour leur présenter les dessins et les peintures et les poésies que les enfants de Rungis ont fait à l'occasion du 20e anniversaire de l'association. En effet, à partir des trois thèmes, le thème de l'amitié, de la paix et de la coopération, ils ont su réaliser des œuvres d'une dimension exceptionnelle. Nouroté est une vieille amie des écoles de Thiès. Ce n'est pas simplement ce genre d'activité que nous organisons, mais à chaque année, nous finançons des projets qui sont présentés par les élèves. À titre d'illustration, cette année, on avait reçu, l'association avait reçu neuf projets et sur les neuf projets, les huit seront financés à hauteur de 7 500 000 francs. S'y ajoute l'argent que l'on a donné aux écoles au début de l'année scolaire parce que nous avons l'habitude à chaque rentrée de donner une subvention aux écoles. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement l'association néo mais aussi la mairie de Rangis, sans laquelle tout ce que nous sommes en train de faire à Thiès ne serait impossible. Alors, nous avons donc discuté avec les enfants autour de ces trois thèmes et nous pensons qu'ils vont retenir les leçons d'amitié, les leçons de solidarité et de coopération que l'ont relancé leurs homologues euh, Rangissois. À leur tour, ils essaieront aussi de relever les défis et je ne pense pas euh, qu'ils refuseront à le faire je pense qu'ils peuvent travailler dans le même siège et obtenir des résultats aussi intéressants. Donc euh, je parle très confiant, je parle très content de la mission que j'ai amenée auprès des enfants. Je vous remercie.